waaw tey euh, dañ fi ñëwoon am euh, benn réponse boo xam ne dañ koy def à l'appel euh, de son excellence monsieur le président Macky Sall moy sensibilisation bi ñu war a def ak réponse bi ñu war def contre le Covid 19. kon na xam ni le président a insisté sur la jeunesse ñu am benn taxawaay farlu jàppale mag ñi dugg ci koñ yi dem ci espace public yi wax nit ñi lan moy Covid 19. jàppale leen ci li nga xamante ni moy mooy yi nga xamante ni moom la utiliser pour aar seen bopp ngir mën askan wi.

activé wat mais il faut que sama jeunesse comme président lim bëgg jeunesse bëpp bolo bolé sen énergie bolé le neex li nak lepp taxaw bolo don ben jàppale culture bi jeunesse ndey tiké ndjay jox tax ni ñom lool kën du leen ci on va être au premier plan taxaw suñu ministre war ko les jeunes sont déterminés ñi ci ginnaawam ñi ci ginaaw son excellence monsieur le président de la république ñi ci kanamu askan wi. tànneef gaare bi ko waral moy ku ne garage garage bi moy premier euh, lieu de convergence. képp koo xamante ni da ngay dugg Thiès wala ngay génn Thiès fi nga koy njëkkee kon ku ne xam ne coronavirus dafa nekk loo xamante ni booy xool virus bi dafay circuler ni muy circuler boo ko xool nii dem gox ak goxaani dañ ciy am solo moo tax on s'est dit que il va falloir que yu ñëw garage bu ñëwee garage ñu di fi ay masque wut ay trac autocollant comme yi ngeen gis nii ñu taf ko ci portière oto yi ba clients yi nga xamante ni ak chauffeurs yi saa yu ñu xëyee mesure leen ko mën di fàttali ñu ndaale aussi ay euh, li nga xamante ni mooy récipients yi nga xamante ni avec robinet la nga xamante ni dañ koy jox waa garage bi ñoom à leur niveau ñu ba xam dañ koy teg ci buntu jàkka yi teg ko ci porte yi képp koo xam ne da ngay garage nga mën a raxasu yi ak mooy madaar yi indi ak gel yi bu ko defee loolu je pense que bu ngeen ko defee dina mën a euh, woon ko ci koñ yi dugg ci koñ yi dugg ne

taxawaayu xeex euh, jàngoro bi dañ ci nekk quoi parce que dès le début ñu nag waa service d'hygiène ñoo doon collaborer fii ñu indi ñu fi ay bac à lavage ay affaire. yooyu boobu ba léegi ñuy continuer nekk ci identification passager yi nekk ci euh, sensibilisation ba léegi moo am nag benn affaire boo xam aussi il faut ñu leeral ko mooy que ni euh, virus bi comme danañ ne day circuler te ñun dañuy def transport faudrait pas que nit ñi defee ne transport urbain régulier bi transport interurbain régulier régulier bi ñom ñokoy koy tas mais li likoy tas moy transport irrégulier bi ci biti parce que ñoñu duñu ñu sol ay masque duñu comment dirais-je waaw war gaynde du ñu identifier seen passager et tout té ñun ñu ci liggéey bob lolu il faut que mu clair légui nag combat bobu suñ koy mënee ndey tikkee ñew te moom muy koo xamante ni bii vraiment membre du gouvernement yi mën nañ ne moom moo gën a nekk en proximité ak ñun parce que mi ngi dëkk tout juste à côté bu choisir ñëw ci gare routière bi jàppale ñu ci xeex boobu duñ man lu dul kontaan ci euh, Kiko, parce que lui, mou def c'est vrai que porte parole mais tay mën nañ vraiment porteuse d'action là parce que li mom vraiment l'air na quoi parce que lui aussi moy li nga xam parce que regroupement yu melni nii gare ni, dañuy soxla ndimbal yu melni pour faire face parce que difficulté yi am moy da ngay nombre de voyageurs yi fi wara a chaque jour nga war leen gérer identifier leen yooyu yëpp ay moyen lay laaj te yooyu yëpp ak jox leen ay masque parfois client ñëw du am masque nga war a wut masque jox ko te yooyu yëpp da nga koy am un jour fexe ba moom mu mu mu dem daane condition optimale pour man a voyager. donc vraiment ñi ngi remercier action bi di ko tàllal loxo di ko wax ne ko président moom Mamadou Gueye en tout cas moom i nga xam ne moom laay wax ci kàddoom xamal na ma ne Ndeye Tické moom jigéenam la avant lii di am sax quoi et que yàgg nañoo séq ay teraanga euh, te ñu koy continuer di ko tàllal loxo. bon di ñaan collaboration bi mu continuer di aussi euh, pour pandémie bi ñu gare routière c'est un lieu de convergence ñi ñi fi moyens vraiment pour mettre les gens dans des conditions optimales ñu voyager euh, sans vraiment que virus bi di di Je suis membre de la jeunesse de madame la ministre euh, nous sommes là aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la presse et transmettre les, les vives salutations de Madame le ministre à l'endroit de toute la presse ici présente. Euh, nous saluons également euh, Madame le ministre et nous la remercions également de nous accompagner chaque jour euh, concernant nos opérations de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Et sous la base de, ça, nous allons remercier et particulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, de par cette belle initiative dans le, cadre de l'implication de la jeunesse pour la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Euh, justement, la, jeunesse a été interpellée par le chef de l'État. Euh, c'est vrai, vous, êtes sur le terrain. Mhm. Euh, quelle sera votre partition au-delà de ce geste et, qu'est-ce qui motive le choix de la carrière Bon, effectivement, pour juste répondre à votre question, euh, comme Madame le ministre est quelqu'un qui fédère tout le monde à l'échelle de, de Thiès et au-delà même. C'est pourquoi aujourd'hui, euh, nous aimerions vraiment transmettre ces salutations à l'endroit de l'ensemble des membres de la coalition Ben Boko Yakar mais également les responsables du parti ici présents pour accompagner la jeunesse de madame la ministre de Tiken Diop. Nous remercions également son cabinet parce qu'à chaque fois il nous accompagne, il nous encadre dans le cadre des préparatifs et là c'est à saluer. Pour revenir juste à votre question euh, parce que depuis très longtemps, nous étions sur le terrain parce que mon très cher frère Cheikhouna l'a dit, depuis euh, l'arrivée de cette pandémie dans notre pays, euh, Madame la ministre euh, n'a aménagé aucun effort vraiment pour accompagner la population de Thiès mhm. euh, dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie. Mais aujourd'hui, si nous sommes revenus pour faire euh, à nouveau un lancement. C'est parce qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été prise par la jeunesse de Madame le ministre, parce que le président a fait appel. Mais il faut que les gens aussi aient conscients de l'appel du président, parce que le président a fait appel à l'implication de la jeunesse. Mais sur quoi Sur le port correct et obligatoire des masques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous limiter dans le cadre de distribuer des masques, mais nous allons de près auprès de la population, les conscientiser, discuter avec eux pour qu'ils soient conscients par rapport à l'importance de porter correctement son masque, mais également de respecter l'obligation de porter ce dernier. Et maintenant, euh, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de faire euh, ce lancement au niveau de, la gare routière parce que c'est un lieu de convergence, euh, c'est un lieu recevant du public. Donc il y a une forte fréquence, il y a les voitures parce que tout récemment notre doyen l'a dit qu'il y a le transport interurbain. Effectivement, parce qu'actuellement au Sénégal, nous constatons que par exemple euh, le taux de, positivité au niveau de, Dakar est différent quand même de Thiès. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, devons également, nous les Tiessois, de nous protéger. Et sur ce, nous devons, nous devons accompagner euh, la gare routière, parce que c'est la zone d'entrée de notre, de notre, chère, de notre chère ville. Après cette activité, est-ce que vous avez prévu d'autres euh, initiatives pour accompagner le ministre euh, Bon, effectivement, parce que disons que Madame le ministre, c'est quelqu'un qui fédère les Tiessois surtout la jeunesse, parce que nous avons ici présent euh, la jeunesse des autres leaders pour nous accompagner, parce qu'il s'agit d'un combat communautaire. Il faut que les gens aussi reviennent sur les termes qui ont été employés par le gouvernement. C'est-à-dire c'est une lutte communautaire. C'est également le port correct du masque, mais également l'obligation de porter le masque. la prochaine étape c'est que comme derrière Madame la ministre, il y a des jeunes intellectuels, des cadres. Depuis l'appel du président, nous nous sommes retrouvés à nouveau. Nous avons défini un programme de campagne bien défini en ciblant des, zones où nous allons intervenir. Par exemple, en quittant ici, nous allons continuer à faire d'autres zones. Parler avec eux, leur distribuer des masques. Tous les quartiers de tiers sont concernés. pour l'instant, nous, nous étions sur le terrain. Nous faisons les quartiers. Mais puisqu'il y a un nouvel appel du président de la République dans le cadre de l'implication de la jeunesse, et là, sous recommandation du ministre... est-ce que tout Thiès est concerné, oui ou non Non, bien sûr que tout Thiès est concerné, évidemment. Évidemment, tout Thiès, parce que c'est en fait, les préoccupations de Madame le ministre. Parce qu'ici présent, nous avons des gens venant de différentes localités de, de, Thiès. Mais juste pour vous, pour vous dire que cette implication-là, c'est quelque chose que nous avons à saluer. Parce que disons que, comme nous, comme nous enseigne notre leader, que le président de la République, depuis son accession au pouvoir, il a toujours, il a toujours prôné des politiques publiques allant dans le sens de l'implication de la jeunesse. Je donne un exemple de, l'acte 3, c'est l'une de ses premières réformes. Dans ses motifs, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il veut promouvoir une gestion participative et inclusive de toute la population sénégalaise. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il fait appel à nouveau concernant l'implication de la jeunesse et de la population, nous allons faire ces opérations et avec la tête haute, mon cher monsieur.